soo il yow mandataire bi dañ lay jël la une pièce nga andi nga andi nga joxe extrait de naissance casier judiciaire certificat de nationalité la déclaration de candidature la déclaration d'investiture les deux déclarations sur l'honneur la première portant sur euh, la nationalité exclusivement sénégalaise Benenbi, le candidat atteste qu'il est en règle avec la législation fiscale nga joxe ñetti photo So, amé spécimen de bulletin nga joxé So, amé euh, benen maquette en version électronique nga joxé ñom ñu def sen procès verbal jox la nga lire amendé euh, euh, le greffier en chef def procès verbal tirer ko jox la nga lire si c'est conforme à ta déclaration tu signes So, paré ñu woo le représentant c'est-à-dire le technicien informatique, mu ñew tok ñu duggal clé bi clé bi ñu len jox waaw qui, porte la liste des électeurs ayant parrainé le candidat. Nous visionnons, nous regardons ce que déclaré, ce déclaré par région aussi, c'est OK. Nous avons clé, nous une enveloppe le greffier a signé yow le représentant technicien a signé Nous avons enveloppe processus carton carton papier ak clé parce que loi bi loolu la en format papier en format électronique loolu moo waral carton yi ngeen di gis noonu leneen newu ci lu fiche de parrainage. Wow. L'ol après si la vérifier est-ce que clé bi. après la clôture des dépôts après le 26 les ñuy woowaat mandataires yi ak représentants cette fois-ci comme nous ni fait ko dans leur décision associer nañu les bépp candidat wala ses représentants ci dispositif de vérification bu boobaa nag la ñuy dugal clé bi génn carton yi un papier de. voilà une attestation. de déclaration voilà attestation de déclaration récépissé de déclaration de candidature. C'est lañ lay jox finale bi quoi.